Beaucoup de gratitude et beaucoup de fierté parce que c'est nous qui sommes les plus visibles, mais c'est surtout des centaines d'hommes et de femmes, de femmes et d'hommes qui sont derrière nous pour rendre un service public de banque. Donc forcément, le fait d'être reconnu pour la qualité de ce que nous faisons, même si nous le faisions mal, c'est un appel à le faire mieux. Et c'est surtout un hommage à, à nos équipes et beaucoup de reconnaissance vis-à-vis du président de la République qui nous a distingués parmi des millions de Sénégalais. Et un encouragement à faire mieux ce qu'on essaie de faire déjà bien. disons ont def liggéey nous reconnaître ko. Faut ba li ñuy ligue ñu ñu gis ko dafa am ay équipe nekk suñu ginnaaw parce que suma décoration c'est comme si agent ou banquier yëpp ñoo ko jël ak corporation bancaire bi yëpp ñoo ko jël donc loolu la ñu war a xam que capitaine la ñu nga xam ñu nekk suñu ginnaaw daal loolu la ñuy loolu la ñuy yegg. merci monsieur merci.